Adama, à toi l'honneur. <laughs> Merci beaucoup, euh, Khalifa. Bonsoir à toi, Khalifa, et à tous les téléspectateurs. Alors, le euh, match bi C'est un 5. d'abord est-ce que tu as sa ah waaw avons ah, gagné 3 mm. points de plus. Mm-hmm. on est premier on est leader. on a 9 points euh, encaissé but tarif 2-0 comme, d'habitude. Mhm. Bon, 4-1, on a encaissé un but, autant pour moi, en, en, Eswatini. Mhm. Bon, donc euh, disons 8 buts marqués, on se l'a encaissé. Bon, mhm. ah. Côté mais, comptable, mais ça va. Mais prestation en soi, voilà, hmm. Wow, première appréciation, première appréciation, je veux hmm. dire, il faut que nii euh, match bu mel bu jeexee li ngeen moi du point de vue comptable. Hmm. maintenant ci wàññi ni pogni, fan la ci euh, Sénégal moo jiitu. Mhm. Euh, am dese ko rek mu am ben victoire déjà pour am qualification. Mhm. à la Coupe d'Afrique te def naa loolu mooy objectif bi. absolument léegi nag buñ ko jàngatee ci biir mën nañ ci gis ay poñ yo xamante ay poñu mbikté lé doon. waye mhm. mën nañ ci gis ay yenen poñ yo tamit. yo xamante xeyna bon du nek lu lu ñu mën la wala luñu ñu mën améliorer. très bien donc ci match bi dal mo nañu retenir d'abord que ni euh, Sénégal recevoir na Guinée-Bissau. Euh, surtout nañu jàpp ni match bi ni ñu ko jàppoon ne noonu la war a yombee. Mhm. Euh, ndax xëy na xamuñu adversaire bi wala xëy na am na xeebade bu ci amoon. te mhm. ça aussi foog ñu ñu nangu ko ñun Sénégal dañoo tàmm di xeeb ay équipe ñu wax la ñun équipe bu ndaw surtout voilà loolu euh, defe naa tey am na lenn jàngat bu ñu ci war a mën a mhm. génne. très bien Adama lan lan nga relever tey ci ci wàllu faiblesse ci équipe bi. waaw côté faiblesse moom je pense que amna lo loo xamante mën nañ ko ci automatiquement modi euh, comme d'habitude c'est-à-dire rythme bi nga xamante ak intensité bi ñu wara duggal ci suñu jeu bi euh, ndax euh, am na lu entraîneur bi ginaaw ba mu défé choix parce que un sélectionneur il faut mu def ay choix ñun ñoo ko wóolu ko fofu, donc c'est pour qu'il prenne des décisions mhm. maintenant euh, par exemple su ma jëlee kaaw nous mu euh, alterner milieu de terrain bi ak axe axe bi. axe de la mhm. défense. c'est-à-dire mhm. jël nous Koyaté delloo ko loolu lay jouer en club depuis cette saison. Mhm. mi ngi def saison bax donc man décision boobu personnellement. amu aussi problème ànd naa sax d'ailleurs. wante euh, ginnaaw ba mu euh, jëlee Salif. comme rocci na Salif ci axe bi man pour mon j'aurais souhaité mu mu mu teg ko ci banc bi indi un milieu de terrain. boo xam ni volume de jeu bu ko permettre. mu def manam course yi war. passe yi war relance yi war et cetera ndax Sané seetlu woon nañ ne xawoon na sooxee bu baax euh, ci rythme bi parce que dafa meloon ni ku xaw a diis ak euh, par exemple euh, Sentinel rôle bu mu war a def ci match mm, mm-hmm. par exemple dans un match clé comme ça daanaka mën naa jàpp ni malgré tout xëy na mm-hmm. defu ko waaye loolu nag peut-être xëy na li ko waral mooy jàpp naa ne intensité bi nga xamante ni moom la waa Guinée-Bissau joué mm-hmm. loolu moo tax te faiblesse une des autres faiblesses bi ma remarqué aussi mooy que ne xam nga ñun dañ doon football d'abord ci terrain boo xaw xamante ni dafa xaw a xat terrain bi dafa ndaw. Mhm. terrain bi nekkul terrain yu rëy yooyu noonu. Mhm. qualité pelouse bi tamit gis nañ ni bal bi da doon def li tubaab di wax bal bi ça fuse quoi. xam na mhm. laa ko mën a waxee ci ci ci wolof. Euh, boo laalee bal bi ndànk day daw lu bëri. donc loolu lu la ci mën a génnee ci équipe boo xamante ne dafa toogandi ci ginnaaw mooy ki nga maintenu ni mën naa bal à partir de la relance euh, défense bi en ce transition militaire hein. mhm. il faut que mu am koo xam mën élaborer contrôler def des passes en profondeur wala mhm. dem box de box etc. Mhm. alors que la plupart du temps suñu joueurs yi dañ doon def passe latérale yenn saa nga rallonger gars yi delloo ko et tout de sorte que man yaakaar naa ne côté boobu ñor nañ def effort ci ñaari aspect yooyu noonu très bien très bien alors

Mm-hmm. donc peut-être moom dafa def changement de position ak mm-hmm. entre Cheikhou Kouyaté ak Sané. Mm-hmm. mais les nak se posent la question de savoir quand il euh, décision a une décision jël. pour euh, miner le terrain surtout sur le plan défensif. je pense que fofu dès lors que Idrissa Gana Gueye euh, il avait pas beaucoup de choix. il y avait peut-être le le nouvel appelé là comment il s'appelle. oui mais là aussi il y a toujours cette cette, euh, cette peur de, les mettre nous baignons un schéma Donc donc c'était pas vraiment un choix tactique. je pense que c'était plus un choix pour s'assurer mm-hmm. euh, d'avoir un, moindre mm-hmm. moindre mal dans mm-hmm. dans dans dans, l'entrejeu défensivement plutôt qu'un choix réfléchi avec des parce que aussi il faut que nous bañ am xel souvent euh, équipe nationale surtout les matchs officiels. les matchs où xam da moi je le xamante dans les normes parce que Aliou Cissé boo xoolee euh, et je pense que quelque part ils ont raison les mm-hmm. Sénégalais qui le disent li ñu koy reproché lu bëri mooy mm-hmm. daf fi yàgg def na fi quatre ans. te ba léegi amagul mais mais xam nga de temps en temps confronté ak ay imprévu imprévus. d'accord d' mais il faut mu adapté wu. capacité d'adaptation, adaptation je pense que moom moo solo. non moo ëpp solo mais xam nga am na fooy toll mm-hmm. équipe euh, surtout sélection gars yi dañu war a xam ni sur les onze joueurs ni mieux jouer xam ne également positionnement de nii la war jeu. demee la identité de jeu identité parce que da nga koy tabax. lu ñu tabax mais tu es en train de dire que le Sénégal amagul équipe. non le Sénégal ba peut-être c'est les situations comme ouais. les blessures les absences mhm. wala yu peut-être que loolu moo ñuy andi ba léegi ñu nekk ci situation boo xamante bon à part quelques éléments clés xam nga mhm. ni go euh, euh, Mendy mooy góolu mhm. euh, xam nga ni Kalidou moom bu fekkee ne mu ngi fi day jouer ci axe bi bon après maintenant même Kalidou kan lay peeral ça change. Mhm. donc on xoolee sur les huit derniers matchs fait changer bu tey mu nekk Kouyaté bu subaa mu nekk Kenen, bu gannaaw subaa mu nekk keneen. tu vois bon à part Sabaly mu est à gauche nga xamante ne bon jàpp nañ ni tant que mu ngi am bonne santé. Mhm. Euh, depuis la coupe du monde donc depuis deux ans je joue, jouer. Mhm. Sadio Mané peut-être ci kaw euh, li ci des. Ismaël Sarr li ci des yëpp même Ismaël Sarr c'est très récent. li ci des yëpp ay ay loterie là c'est mm. ça dépend du coach moom mooy xool. est-ce que tey mm. Wagué lay teg wala est-ce que day génne Wagué dougal Gassama. Mm. wala est-ce que est-ce que est-ce que. donc mu nekk est-ce que yu bëri yo xamante buñ ko dajalé euh moy tax euh ñu bëri dañuy am njàqare je pense même lool moy tax souvent équipe bi. euh day am euh, du teel a dugg ci match. parce que bo xolé bu ñu dañuy waxante deug rek analysé en toute objectivité. Mhm. premier mi-temps bi Bissau Guinée à un moment nous avons eu une bi. Mhm. enchaîné ay et d'ailleurs ça ça nous a permis nous ñu Edouard mhm. Mendy bi nekk Chelsea moi Edouard Mendy bi fille parce qu'il a été mis à contribution. trois fois de suite. Il a été mis à contribution donc ce lu koy lu bien sûr que football da Balbi yor bal bi temps fort après ngam ce temps faible que yor temps fort hmm. mais lu muy wund moy Euh, quelque part hmm. dañu amul maîtrise mais le point positif maintenant dans ça bo bëggee ñëw ci après juste après <laughs> d'accord ah, ah, alors euh, justement en partant de, de Mendy hmm. euh, amna lu am solo également euh, biñ ñu koy joytu en tout cas man may may ko aussi loin que je me souvienne yàgg nañ ko joytu moy sénégalais yi bu ñu équipe nationale quel que soit l'enjeu c'est un degré d'engagement namm nañ ko

waxuma que nit ñi amuñ engagement mais dama ni état d'esprit bu nga xamante mom la ñuy ad ad euh, en tout cas entamer match yi c'est-à-dire ak mentalité bobu la rage de vaincre parce que parce que yenn saa même tactiquement lorsque par exemple tu te plantes mën nga ko compenser par en tout cas un gros volume de jeu ben abattage physique bo xamné mën na la compenser certaines pertes de balles. sur les deuxième ballon et cetera. boo ma mayee toujours ma. waay waay foofu. Mm. équipe bobu dañ doon gëmm.

Euh, ku si nekk ak. Euh, ku ne nga xam sa rôle. c'est-à-dire xam nga loolu tamit euh, Adama. excuse-moi mais loolu tamit dafa am. Mhm. solo si équipe. Mhm. Mhm. équipe joueur buy ñëw da nga war am da nga war xam sa statut. Xamni li sa responsabilité la. xamni yow da ngay démarrer. yeneen joueur yi war a xaar da dañuy xam ni seen bopp ni ñoom la kulli xaal. dañuy xaar. donc ñoom en hein. on cherche à jouer. on cherche waaw waaw d'accord mais tout le ah, monde sait qu'aujourd'hui. non non fu ma bëgg a waxee li ma wax foofu rek mooy tey boo tegee équipe nationale euh, France ñu France xam à peu près les 10 jours sur les 11. wala les 11 joueurs. mais c'est que différence peut-être c'est dans l'animation dans le choix tactique du jour. c'est que Bamba li nga euh, li tax li tax amuñu ko parce que euh, Aliou Cissé ba ba donc ça veut dire que on aurait même pu dire qu'il a perdu du temps pour construire son équipe, une équipe. De façon générale, si on doit faire le bilan, de mhm. façon générale, à l'UCC, sur le plan comptable, mhm. il a fait de, bons résultats. Mhm. Ah, sur le plan comptable. sur le plan comptable. sur le plan de l'évolution également, Bokhole, il a eu à gérer deux Coupes d'Afrique. Il a progressé. Il y a une équipe B, Coupe du Monde. Tout ça, c'est vrai. Mais cette équipe ne rassure pas très bien c'est-à-dire équipe bi buy football sénégalais yi bëgg football dañuy tiit. da nga da nga justement. oui abali waaw parce que d'ailleurs pour pour euh, pour euh, enchaîner par rapport à point bi ma doon wax mhm, mhm. côté engagement c'est-à-dire quand euh, xam nga équipe. mais John pour gâter pour gàttal wax di mais c'est ça dañoo il se ménage. mais c'est ça xëy lolu mën na mais mhm. comme par exemple Bamba lu mu wax sànq. Bruno Bruno évidence yi nga wax noonu manam sur ce 11, presque ay neuf wala c'est dañ koy xam loolu la coupe du monde bi la tàmbali mais ba veille coupe du monde dans les matchs amicaux yi nga xamante ne Sénégal def ko jouer. def na ay aménagement ci la Aliou Cissé delluwee dans dans euh, avancé au milieu de terrain. bien sûr ensuite Pape Malick a rejoint le 11 en, en, en, en, même temps que la, la Mendiata. Donc ça, ça a été un réaménagement. Mais jusqu'à la Coupe d'Afrique, mm il a été titulaire indiscutable en Coupe d'Afrique. Oui. Bobo rouge contre le Nigeria Mais en demi-finale. loolu moo tax ma ni la point boobu précision boblas laa c'est bëggoon andi pour tel aussi euh, maanaam matchu tey bi mhm. point wax nga ko par exemple par rapport à, à la situation où réagirait par rapport à, euh, Salif Sané. C'est-à-dire, euh, il y a Giovanni Trapattoni, si vous vous rappelez, dans les années 90, c'était un, entraîneur italien, très bon entraîneur, mais avec du caractère. Mom un jour c'est parce que jour démarrer Donc jour Eliman Franck Kanouté boo xam ne ñu koy suivre gis nañu mi ngi def travail bu en Belgique. Mhm. Il euh, y avait Moustapha Nam aussi bi nekkoon ci équipe bi ak Pape Cherche Diop convoqué. aujourd'hui par rapport à la fraîcheur physique par rapport à la forme actuelle des uns et des autres. Cette mhm. il ils muy il court pas beaucoup il joue en axe. Mhm. Euh, Schalke 04 ils sont très mal en point en championnat. on l'a suivi il était blessé il y a quelques temps ensuite il est revenu donc à partir du moment où par exemple ce que des fois, jël décision def indi ay coppite. Mhm. mais man pour man ay lay nous na jusqu'au bout. c'est-à-dire na andi euh, joueur bo xamante amna volume de jeu pour permettre de def ce travail d'abattage physique là. mais mais mais volume de jeu bi. le mhm. na ak degré d'engagement bi. ça fait En fait, volume de jeu, moi, la condition physique du joueur. Mhm. mais -hmm. degré d'engagement, ça peut être quelque chose de typiquement mental. Dans la tête, bon, peut-être ils n'ont pas beaucoup joué, mais pas Cher avec Moustapha Nam, quand ils sont venus, ils, sont arrivés avec beaucoup d'envie, mhm. envie, football, essayer des choses, etc. Le Match n'est pas mauvais. Hein. Le Sénégal, en deuxième période surtout, euh, Danaka amélioré euh, globalement le niveau du jeu. Mhm. On a vu aussi que Moussa Wagé a été très offensif aujourd'hui. Mm vraiment, un lo xamanteni, match andiwul won lolou wante li ci ëpp ëpp li ñuy wara défarat mhm. khalifa mhm. ci sama walu bop ginaaw euh, walu engagement bi. Mhm. modi organisation bi. nan la suñuy taxawaay ci diggu terrain bi. nan lañu ñu organisation bi té loolu nak amna ko koo xamante ligéyam loolooy alors Bamba. non man je pense même que du point de vue de l'engagement engagement. afam ay élément yo xamante tay euh dañ ci tek suñu baram pour mën juger de l'engagement de des euh, je pense d'abord, bon, habituellement, il joue dans, des, dans de meilleures surfaces. dans le Benel. bon sànq xaw nga ko kii xaw nga ne mhm. fait tuuti nee nga dañuy bañ a effectivement joueur buy en sélection da nga bëggoo fi jëlee gaañu. Mhm. da parce que aussi bul football mooy un métier. Mhm. mais bu loolu weesoo man d'accord, accord trop ni dañu manqué d'engagement. mais mais problème li nga wax problème

Lolo, c'est pour moi c'est un signe d'engagement. Cheikhou Kouyaté tey am na action boo xamante ne mooy bi waa ji armée di frapper nga xamante ni. mu teg dans séddoo rek da ngay xaru rek joxe sa bopp. mais daf ko def d'ailleurs la preuve moo tax defe mm. depuis si instant boobu la commencé di c'est si match. mais il faut que papa xam lolo c'est c'est ça la règle c'est ça qui est normal. non non pas le contraire. non c'est ça ne doit pas euh, être l'exception. Adama Adama ce que je veux mm. dire par là mm. Moi, pour moi, il y a moi bon, peut-être on n'a pas la même lecture. Moi, je mhm. pense que les joueurs étaient engagés. Mhm. Ils voulaient plier ce match. Mais surtout, et euh, c'est un des points, à mon avis, qu'il faut. Aujourd'hui, le Sénégal a été une équipe mhm. grande dans la tête. Ils ont su, à un moment, gérer le match. Gérer le match. Baye bissau qui n'était pas des manchots du tout, qui était très dynamiques, Évidemment, ça, s'explique. Ils jouent contre le Sénégal, mais surtout, mhm. ils sont très mal en point dans le, dans le, dans le, dans le groupe. Donc, il fallait que nous Wanasenbo. Mmh. Et puis, c'est des joueurs qui sont plus ou moins du même niveau que nos joueurs, excepté mhm. deux ou trois éléments chez nous. Mhm. Donc, bon, je pense qu'on a très bien géré le match. Et ça s'est reflété dans les moments où nous Premier but, nous avons presque vers la fin du match bon tu as accepté à un moment que l'autre avait le ballon. tu t'es débrouillé pour ne pas encaisser. Mhm. notamment grâce à un très bon euh, Mendy. Mhm. mais après quand. l'heure de la mi-temps s'est approchée, on a vu que les gens ont commencé à prendre des initiatives, etc., pour essayer d'avoir une petite avance. Mhm. Lolo, ça nous a réussi deuxième mi-temps attention moi j'ai vu une très bonne équipe de la Guinée-Bissau mm. en deuxième mi-temps très bonne équipe mm. qui s'est rebuffée qui a mm-hmm. pris des initiatives qui a poussé qui nous a acculés par moment mm-hmm. mais on a vu aussi mm-hmm. une bonne réponse de l'équipe sénégalaise notamment avec euh, parfois des incursions euh, sur les côtés avec Sadio Mané qui a joué très juste, mais surtout euh, l'autre, la Crépin également, qui n'a pas commis euh, mhm. beaucoup, de déchets. ce qui a fait que mhm. on a marqué le but au moment juste où il fallait le marquer. Et ça nous Mais attention, mhm. dernière minute, rappelez-vous, regardez bien le match, on a vu Edouard Mendy se trouver trois fois sur des situations, c'est des balles qui traverse. Mhm. Et c'était des. bien entendu, il s'est mis en évidence parce qu'il y a des qui qui mais ça veut dire que sur les derniers instants, la Guinée-Bissau a remis euh, du cœur à l'ouvrage. Mhm. Et donc, pour moi, il faut dès maintenant se projeter sur le match suivant. Mhm. Maintenant, pourquoi, à mon avis, quelque part, vous savez, entraîneur, il y a un entraîneur qui risque qui marche officiel. et je pense que parfois il faut que bon nous nous ñu supporters quelque part ay fans, il faut que parfois nous comprenions comprendre dans ma philosophie de jeu l'essentiel c'est de gagner. d'abord mais après. L'essentiel c'est de gagner, l'essentiel c'est de gagner pendant 5 ans. À moi moment aussi, l'essentiel est de gagner et de, bien jouer. Mais sur ce match-là précis, je pense à un moment, il fallait ne pas prendre de risque parce que gis est fi ay joueurs aussi. da Même am ont confiance c'est vrai tu les appelles parce que tu as envie de les voir. ils ont produit de bonnes choses en club et tout. nga a une sélection mais dans des conditions déjà il fait plus ou moins 7 degrés en Europe actuellement. il fait 40 degrés ici. Mm. la pelouse elle est ce qu'elle est. on est à Thiès. c'est vrai qu'il y a des paramètres qui on joue contre un adversaire qui est plus faible sur le papier, mm. mais qui a amené du mordant et du jeu. Mm. Est-ce que tu dois prendre le risque de faire entrer certaines personnes au risque après de les griller définitivement c'est des questions. Maintenant, notre entraîneur, lui, mm. il a choisi la mm. prudence, comme, <laughs> d'habitude. Et puis, euh, euh, ça nous a, ça, ça a payé. Oui, euh, bon, c'est vrai que comme les gars, ils disent, le match, ils ont de football, ils ont quand gagné. Quand même gagné, c'est ça. Oui, mais, mais, mais il solo. Alors, une qui euh, perspective, justement, il y a maintenant baax match bi bonul comme nous ñu ko à l'entame Il mm, y ponk mooy yi nga xamante ni moom la Aliou c'est, war a gën renforcer pour justement euh, matale mbir parce que jeexagul ay éliminatoire rek règle mm-hmm. objectif biduli mm-hmm. c'est vrai que il nous reste euh, fi mu toll nii def nañ ñetti pàcc. Mm-hmm. mu des ah euh, après demain on ira à Bissau. ensuite inshallah ensuite ñu. mu dese ñu Eswatini ci un match yi ñu dese. donc aujourd'hui am benen beneen benn fànn Bamba wax no ko surtout par rapport à la défense mooy ci réaménagement bi parce que man euh, dama nek partisan wu manam Khalifa mhm. présentateur la mhm. euh, bu bu ñu xey ñew ni ko yaay dem ci caméra bi quoi mhm. yaay dégg li ngay li moy sa rôle man pour man da nga wara jouer le joueur bi poste bu muy jouer c'est la raison pour laquelle sank maa ngi lay euh, jël na Kouyaté yóbbu ko dans l'axe je suis totalement d'accord et que j'aurais pas mis Salif Sané ci euh, en sentinelle ndax non seulement gëjoon na ko football mm. wanté euh, waye tamit xawna na perdre rythme mm. c'est-à-dire sentinelle lu mu laaj mais, mais le choix était payant quand même. Oui, oui, les choix ont, ont oui. été payants. Mm. Ci laa bëgg a lool tax na ba parce que da nga pour les perspectives. lan lañ mëna réorganiser wat déjà par rapport à choix yooyu. aller pour man war mëna def effort. si euh, tànneefu ñenn ñi ak taxaway bi. parce que boo xoolee tey da nga jël ki nga xamanteni modi Yusuf. Youssouf depuis coupe du monde à gauche le ko jouer là. contre Maroc ak tey euh, ça ni aller fait le match de sa vie. Mhm. c'est tiré par les cheveux c'est un fait. Mhm. aujourd'hui wagé a été euh, meilleur que euh, dans son couloir que Sabali dans son couloir. est-ce que Pardon sur le plan Oui, offensif. sur le plan offensif, on peut le dire. Ça veut dire quand mm. même il a été Effectivement. solide défensivement. xam nga lu tax ma wax loolu ndax tey footballu tey bi dafa laaj nekkul obligation hein? le premier rôle d'un défenseur c'est de défendre loolu la ñuy wax mm. wante footballu tey ñi ci ëpp. entraîneur mm. technicien yi ci ëpp léegi ci couloir yi. la absolument donc ba tax na. Euh, ki ki xamante ne moo di Youssouf. Mm-hmm. nag Aliou Cissé rôlam la mu xool nan lay organiser ay la yéwén. Mm-hmm. ba ki nga xam un arrière droit performant un mm-hmm. club à Bordeaux depuis 4 saisons maintenant mm-hmm. il joue arrière droit na à droite il a appelé Ariel Mendy oui. il est euh, il a été prêté par le RC Lens au, au Servette de Genève en Suisse mm-hmm. depuis depuis Dao. oui. football titulaire le fouf. il est arrière gauche il est formé ici à Djambar, joué une équipe euh, olympique au Sénégal avec équipe locale bi gis nañ lu mën mais na fa Bamba na entraîneur yi risque je suis d'accord je suis d'accord mais joueur bon nuit ba wo ko dans un regroupement où tu as une perspective deux jours. Mhm. côté allé Aliou na améliorer organisation par rapport à taxawaay un point bi je bëggoon ajouter juste mm-hmm. par rapport à perspective oui très rapidement par rapport à perspective Moi, animation offensive bi quoi mm-hmm. Tay Andina Ismaïla ak Sadio la dernière fois je suis d'accord mm-hmm. mais il faut que nous xool nan lay ces attaquants là bu ñuy à chaque fois ci match avec de la frustration la dernière fois loolu lañ constaté Tay encore on a vu que Habib presque il n'était pas content parce euh, que Aliou créé les conditions pour l'épanouissement de ces attaquants de pointe de mm. l'eau aussi dans l'avenir quand tu mm. tamit voir le C'est bon pour le oui moi je pense déjà que série de deux matchs là Ben à domicile Ben à l'extérieur mm-hmm. les matchs à domicile mm-hmm. maintenant on se projette sur le prochain match pour moi on a neuf points mm-hmm. euh, on va chercher les les trois points supplémentaires c'est l'occasion d'accord na ak yow fofu Real meuna tok premier match bi du dugg du ñam mhm. mais deuxième match bi war nañ meuna dello sabali à droite pour xol exactement ce qu'il vaut à droite mhm. parce que là je suis tout à fait d'accord avec avec euh, Adama euh, xam nga bo droitier mhm. même sous Bruno Mertu, donne nañ ko Au hein. Omar Daf parfois on le mettait à à droite parfois il venait à gauche mais dafa femme lu entraîneur souvent oui def loolu amène le lu c'est pour permettre à l'attaquant qui est droitier euh, et qui est à au au latéral. Mhm. qui est droitier quand tu le fait jouer à gauche il avantage, ay avantage mais du point de vue de son apport offensif, du point de vue de ses centres, mhm. du point de vue de ses... Parce que pied d'appui au Mouba, il fait des toujours. Mhm, mhm, Et surtout, même du point de vue défensif. Il suffit que Mou Trasek Ben excentre Bohamed il y a beaucoup de côté Binga Pierre euh, pied faible là, Mouy côté Limbi pour un droitier, mais mon problème. Donc, je pense que dans les normes, il y a 9 points ça ne te coûte rien. Bon, vraiment là, quoi. Mhm. Ça ne me coûte rien le match prochain de mettre un Ariel Mendy mhm. à gauche, de mettre Sabalé à droite. Mhm. Dans l'animation aussi, comme tu es d'ailleurs de toute façon, euh, le joueur là, comment il s'appelle Sané, ouais, le coup, euh, Mohol, non pour les nouveaux là moi me qu'est-ce qu'ils peuvent apporter mm. d'autant plus qu'ils ont montré beaucoup d'envie mm. les deux entrants Nam, le tey defe avec avec euh, ils ont montré beaucoup d'envie mm. donc on a essayé parce que du point de vue capital risque. ce match bon, c'est moins risqué. que le marché bi nga xamante tout à fait mais en maintenant que d'ici là bon équipe de dina oui non non c'est pour dimanche. Hein. Mm-hmm. je pense que. non non, je veux dire d'ici la CAN vraiment. mais non d'abord, mm-hmm. nous concentrons concentré wu ci qualification Nous nañu 12 points ba pare. Mm-hmm. bu maintenant c'est le grand chantier. et c'est là où l'entraîneur doit faire dès maintenant des choix. vraiment bien réfléchis parce que bul équipe Sénégal bi surtout au niveau du milieu de terrain. Il y a des joueurs qui sont là, mais qui sont trentenaires. Mhm. Attention. Nous sommes L'absent le plus présent, c'était Idrissa Ganegé. Mais mhm. attention, Idrissa Ganegé, en 2022, quel âge il aura On va aller jouer au Cameroun. Il mhm. y nga a andi. tey dès maintenant en train zone se faire. zone ou terrain bi yoo a andi des doublures jeunes.

mais dafa mel ni euh, détachement am na. Euh, xaw na wàññeeku donc léegi euh, nan la ñuy def au niveau de la fédération au niveau local ba bu ñu tolloo ci càppandaw ga Sénégal bu gestoo gis ñi ànd ak moom gis ay supporters oui xam nga xam nga équipe moom une équipe euh, ne vaut pas grand chose su fekkee ni amul adhésion du du public. Mm -hmm. c'est ce que tu disais tout à l'heure tey jii nii jàpp nañ ni. Euh, Coupe d'Afrique bii passé 2019. Mhm. amoon nañ ci euh, une grosse déception ndax euh, danaka vraiment amoon nañ yaakaar bu baax que Sénégal ginaaw bam ñaké contre Algérie ci deuxième match am kan. Mhm. bañ dajé final xeyna doono nañ woné benen xar kanam. Ouais, affaire bi ça a été une déception. té mhm. lolu bokk na ci li nga xamante peut-être xeyna mo gëna décourager lo nit ñi. té té pour justement am li nga wax ni il faut vraiment des beaucoup de changements des ouais. changements en profondeur ndax mm. xam nga lu waral euh, parce que le staff bi fi nekk yàgg na fi euh, Aliou mi ngi fi depuis 2015 suñu eggee incha 2021 ça lui fera 6 ans. Mm-hmm. te euh, xëy na ni après 5 ans. Mm-hmm. yenn saa yi ñu ngi de temps en temps ñu naan équipe bi joué na wala joué wul wala jeu bi parce que Bamba nee il il veut la gagner. man tamit wax dëgg man sama choix mooy et je gagne d'abord, du point mm. de vue comptable. Maintenant, si tu y mets de la qualité pour rassurer le peuple, justement, c'est là où les choses deviennent plus intéressantes. Mm, mm. Et à partir du moment où, allez, au Fenech, ce que je propose, moi, en tout cas, l'entraîneur, peut-être qu'il gagnerait à davantage. Euh, il, il, est là pour prendre des décisions, hein, parce que bon Fenech, bon il faut que une décision. faut que je décision. Ouais, de temps en temps, hein, pour moi, il y a aussi d'ara. que, dans un poste de responsabilité comme Bossam il faut que nit dans ta stratégie de communication dans hmm. ta stratégie d'action etc population aussi il faut que peut-être que nous hmm. euh, wàññi zel hmm. peut-être qu'on lui demande trop peut-être que nous na li autour de l'équipe peut-être ça peut inhiber certains etc Il y a encore beaucoup plus de compréhension beaucoup plus d'empathie parce que c'est notre équipe nationale et je pour terminer donc euh, au-delà de li li John di euh, pour mu jóge ci terrain bi dugg ci xolu doomu aadama yi au niveau fédéral également amna doxalin bo xamanteni xeyna buñ ko doxalé euh, doomu aadama yi dinañ euh, Sénégalais yi dinañ gëna a approprier wu yëf. absolument absolument damay d'accord bu yow foofu bu baax baax. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga Sénégalais yi dañ bëgg football. Mm-hmm. joueur yi nek ci équipe nationale chaque week-end Sénégalais yi seetaan mu jàkkal leen ñu bañ a dem def sport wala bañ a dem def leen toog seen mhm. télé yor seen euh, télécommande di zappé bu ñu jógee Premier League dem championnat de France bu ñu jógee championnat de France dem année série A bu ñu jógee Serie A dem mhm. beneen championnat mhm. dugg ci internet bi di xool lan la suñu joueurs yi dafa donc gis nga euh, y'a cette euh, nu mu tuddee passion boobu mu ngi fi gars yi dañu bëgg mais nag xam nga qui aime bien aussi chatti bien bon affaire bi équipe nationale ak public am. Hmm. ay moments d'amour intense. Hmm. parfois des petits moments de désamour. et de déception. Hmm. xam nga fu mu nekk nii nous def benn coupe d'Afrique, Afrique boo xamante ne def coupe d'Afrique Afrique yoo xamante ne Sénégalais dañ si amoon bii sax xëy na dem ba ci final bii hmm. ñu nax mais benen bi ko jiitu. dañuy ñëw dérouler trang trang ñëpp nga xamante observateur du Sénégal équipe bi mooy. ñu ñëw hmm. on a calé contre le Cameroun. Hmm. ñu def match nul bo xamante mo ñu éliminé. bi pa ñu ñëw faqastalu nañ si biir en cours de parcours mm. mais dem nañ ba final tase koo xamante ne nañ moom mm. mu football suñu kaw yéeg suñu kaw sénégalais donc xëy na sax boobu moo nga naan léegi équipe engagement parce que seetlu nañ ni bu njëkk ba dañ daan mm. joué ak équipe naar yi je rien contre les naar mais ça bu joué surtout les équipes maghrébines dañu daan ñoom dañu doon ñoom bu ba utiliser ay rey match bi. Mhm. wala ñu jëm ñu bett. wala jëm a euh, xam nga buñu kié kiiyee instant ñu dootu ñu football. jékki-jékki nax ñu duggal mhm. mais né dañu football ak ñom ñu ñuy jaay engagement physique. Mhm. xoolal match Sénégal Maroc match Sénégal Algérie match Sénégal Tunisie dama nga xool nombre de foot yi. ñom ñoy yëg suñu kaw léegi. y' a un problème te duñ ko def Côte d'Ivoire duñ ko def Cameroun. donc ñun am nañ. engagement la engagement suñu identité. dafa am lu ci xaw des tuuti. deuxième chose. boo amee produit dafa am ay moment yoo xamante ni xam nga produit booy jaay. c'est nga sa dëgg-dëgg. dafa am dynamisme. Mhm. commercial boo mhm. équipe nationale du Sénégal quelque part fédération daf ko war comme benn produit commercial. xam lu mhm. tax ndax c'est son seul produit boo xamante ni mën na ko andil. dara waru kaa jël comme noonu parce que loolu la. waaw mais waaw mais daf fédération Sénégal Sénégal amul boutique officielle c'est un problème c'est un problème ah, c'est terrible. c'est un problème alors que nous avons 16 millions d'entraîneurs comme on dit 16 millions de passionnés. Mhm. Tay, Sénégal on a am politique commerciale marketing qui xamante euh, équipe euh, mais ñëpp dañ ci gis seen bopp. a nañu boutiques des nañu am fan zone. Mhm. Sénégal mu doon joué chess. Thiès je donne un exemple très simple. Mhm. Sénégal mu ngi joué Thiès période Covid 19 ok stade bi CAF dafa joxe ay ay ay limites mënuñu fa fees. Mhm. mais créer ay quelques fan zones avec des écrans géants tout ça. les gens respecter respecter distanciation sociale bi. sol seen masque Donc, dans des zones ouvertes de Dakar. Mhm. Mhm. jaaykatu boisson yi jaay si boisson jaaykatu caaf yi jaay si caaf jaaykatu sandwich yi jaay si jaay si sandwich. Sénégalais sen seen xol bëgg. absolument ñu nekkandoo werante. bu ñu paré ku nekk dem ñibbi donc yow c'est des petites choses comme ça. qui manquent Augustin la ma amuñu

il ni a négocier ak sa ak sa équipementier ci pour lui mën ngeen négocier ci négociation bi ngeen trois boutiques au Sénégal dama bëgg trois types de de produits trois mhm. qualités différentes mayo buy 100 euros 50 mhm. euros mhm. ou 60 dollars mayo buy 10 000 francs <laughs> la dernière fois quelqu'un m'a parlé et, et euh, <laughs> duñ ci Sénégal du football mbooleem drapeau yi ñuy jaay si mbedd mi di ko yor yëpp Chine lay jógee. Chine nañ ko defaree. mais mais te tailleur yi nekk fii. mais moom ma gën a pousse ah, tuuti. xalifa moom mais moom ma gën a pousse tuuti. loolu boo ko defee. Hmm. xam nga mu ngi mel nii rek nga dem tey am ay sponsor ñu ñëw woy taf seen i taf seen logo ci autour du terrain. point hmm. mais demal demal Afrique du Sud. Hmm. nga laajte leen nga gis demal Maroc. nga gis sponsor yi dañu war a def lu ñuy wax activation. dañu war a ñoom si seen bopp def euh, nu mu tuuti. Euh, brand brand. Ah, a une stratégie marque par rapport à produit bi ñuy sponsorisé. Mhm. di ci dugal ay dérivés ay yo xamanteni nit ñi sentir mhm. exemple tay tay orange moy euh, publicité bi ek mhm. mais tay système ticketing. système jaay jaay de lu tax ko euh, i i i nga

juste en quelques secondes. pour mm. renforcer Bamboulou c'est tellement important que moi personnellement deux articles dans les trois dernières années. Mm. sur le problème du marketing autour de l'équipe nationale. Mm-hmm. xam les postes électifs c'est à dire le président vice président. secrétaire général etc. Mm-hmm. au même moment d'avoir comme dans les autres pays. ce mm-hmm. qu'on appelle des postes nominatifs cest à dire nous gagner le poste de directeur commercial et marketing de l'équipe nationale. Mhm. Le poste de euh, chargé de communication de l'équipe nationale. Chargé de, l'équipe nationale. C'est important. Nous, avec mhm. un, spécialiste en ressources humaines, nous des descriptions de postes. Tout à fait. Bamba dem postuler, Manba dem postuler, Khalifa dem postuler. C'est comme ça que ça se passe. Avec des objectifs, avec des objectifs, avec des journaliste ak Adam John John ñu doon waxtaanee euh, euh, mbiru footballu Sénégal euh, si ginnaaw match bi nga xam ni Sénégal am na si ndam sànq si ginnaaw si kanam mu bokk Guinée Bissau di ñaan mu daal di koy doggali ci match bi ñu dëgmal fi lekk ñaari.